Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Oui La loi d'ici c'est... La danse s'il vous plaît. Hey. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente. L'artiste s'exprime. Et vous, vous, rappelez certainement de Barapo, Il était sur l'émission Franco Aoussa hier avec la Miss Rim vous avez eu le parcours en question du combattant. Il a 20 ans. Il est blogueur, comédien, nigérien, influenceur sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, sur cet angle, c'est-à-dire sur tous Salafada version franco-zarma, nous allons parler du contenu de Barra Pro. Barapro dit la machine te souhaite la bienvenue une fois de plus sur cette émission. Comment tu vas mon frère Je vais très bien. Hier tu étais à l'aise, tu étais à la cuisine, ok d'accord, tu nous as parlé et bien évidemment de toi, de ton combat que tu es en train de mener. Tu as parlé aussi, euh, n'est-ce pas, à tous à ceux qui suivent Barapro sur sa page. Alors Barapro, aujourd'hui on va parler un peu de ce que tu fais. On va parler un peu du contenu de la page Barapro. Qu'est-ce que tu fais concrètement là-bas, dis-moi pour ceux qui viennent de nous prendre en cours Je fais des vidéos, des vidéos comiques. Des vidéos comiques Des vidéos comiques que vous pouvez retrouver sur ma page. C'est quoi ta page Ma page c'est Barapro, au nom de Barapro. Et puis une chaîne YouTube. aussi au nom de Barapro et puis un compte Instagram, c'est tout. Barapro s'écrit B-A-R-A. B-A-R-A. Et puis tirer P-R-O. <laughs> Pro bon Pourquoi Barapro Bon, bara pro, Bon, bara c'est dans une autre langue. Et le bara, ça veut dire le travail. Ah, le travail. Donc, un travail professionnel. Un travail professionnel, c'est ça. <laughs> Alors, pro, on va faire donc, euh, on va parler de ton travail professionnel sur cette émission parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Nigériens et Nigériens te suivent déjà. Euh, ils partagent ce que tu fais, ils, ils aiment ce que tu fais. Moi, personnellement, j'aime ce que tu fais. Tu fais des vidéos comiques et généralement tu taquines les gens sur, ton, sur ta page. Mais par rapport, tu n'as pas de souci avec ces gens que tu taquines Ils comprennent cela ou bien tu n'as même pas de contact avec C'est des gens que tu connais déjà ou bien tu prends juste euh, un truc qui fait l'actualité sur les réseaux sociaux ou comment est-ce que ça marche Dis-moi. Voilà, je prends juste, et si la chose fait l'actualité, voilà, je prends et puis je fais mes tricks et puis je balance. <laughs> ah, c'est comme ça que ça se passe Oui, c'est comme ça que ça se passe. Sinon, la plupart, je n'ai pas un contact avec eux. Mais dis-moi, Comment tu fais la production Il y a une équipe derrière toi qui le fait ou comment est-ce que tu te. Non, non, je fais mes trucs moi seul. Toi, seul oui, Par quel moyen Explique-moi un peu comment ça marche. Avec un euh, téléphone, téléphone avec. Euh, oui, avec, avec, mon téléphone et, et certaines applications aussi. Donc tu fais, tu réalises, tu, réalises toi-même. Oui, je me réalise moi-même. Et tu fais le montage toi-même. Je fais le montage moi-même et tu peux faire des recherches sur YouTube euh, pour avoir des vidéos qui vont avec, euh, parce qu'on sait déjà comment... Bon, la plupart des vidéos, c'est les fans même qui m'envoient ça. Ah, ils ont la possibilité de d'envoyer des vidéos voilà. Par un compte WhatsApp Oui, par un compte WhatsApp. Ok, d'accord. Et aussi par, par Messenger aussi. Par Messenger Donc, On t'envoie des trucs, euh, on te tag de des façons de publication. Voilà, et puis je prends la vidéo. Tu sais combien de vidéos tu as pour l'instant parce que tu nous as dit hier que tu as fait tu as un an de, an de combat, une euh, estimation 5 100 vidéos Oui, 5 vidéos. Quelle est la vidéo qui t'a plus marqué parmi ces 100 vidéos La vidéo qui, qui t'a plus marqué C'est une vidéo sur les dragueurs. Les dragueurs Oui. Ça parle de quoi Ça parle des trois dragueurs qui veulent euh, une seule fille. Donc, ça dépend des tailles flots. Sur ma position philosophique, tu as une beauté transcendantale. Mais mon frère, tu es fort, hein <laughs> Euh, pour, avoir la, euh, eh, fille. qui est de l'autre côté qui réalise, il est en train déjà de nous donner une idée, euh, n'est-ce pas, de la vidéo. Alors nous sommes pratiquement à la fin. On sait déjà que tu as plus de 100 vidéos disponibles. On, sait que tu as passé pro On sait que tu taquines, ok, tu fais des vidéos comiques et tu le fais. Pas pour nuire. En tout cas. C'est pour rire. Pour rire. D'accord. Alors on va te laisser, on va te laisser, on va te permettre de laisser un message sur cette émission à l'endroit des personnes que tu taquines. Nous sommes à la fin, Barapro. À ta parole. Voilà, les vidéos que je fais, bon, c'est pas pour nuire, hein, c'est juste pour rire et puis voilà. Est-ce que tu as besoin de soutien de tous ceux qui suivent cette émission Même de ceux qui te taquinent en fait. Est-ce que tu as besoin de soutien de tout le monde ah. Parce que nous, on, on essaie de te donner la visibilité. J'ai besoin de soutien de tout le monde et en partageant mes vidéos. Tout simplement. Tout simplement. Tu insistes sur le partage. Sur le partage. Et le, après Bataka, le reste, ça va venir. Après Akka. <laughs> C'était à l'instant T, mesdames et messieurs, n'est-ce pas, l'artiste Bara Pro sur l'émission Tout ça la Fada, cette émission consacrée à la jeunesse nigérienne. Moustapha était à la réalisation, il faut noter par là que euh, Issa Lawali était aussi avec nous, il a aussi assuré euh, bien évidemment le son et tout ce qui va. Avec On prend congé de vous, c'était la machine, finish him. Flowers, victory.